Fada d'ici et d'ailleurs, de Fatankuna Lahia. N'hésitez surtout pas à réagir parce que que l'on WhatsApp 80 06 88 54. To, kama an kuka sani dai kowane 21 na watan septembre? Rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin célébrons la journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier Sabi wannan sallar da aka yi ran litinin kin wannan ta huce muka ce to bari mu leka bangaren matasa su kuma mi hira demokradiya da su tunda dai an ce paix an ce demokrasi an ce demokrasi an ce paix yanzu muna so mu san su kuma muhimmancin da suka ba demokrasi da neman kwanciyar hankali a kasar tamu Manyamu Sunatuna le 9 février 90 de la sortie historique des jeunes scolaires et étudiants. Point de départ de la lutte pour l'instauration du multipartisme, la conférence nationale Marakata. Tabas matasanda Sunna cikin yaƙi da dama na girka demokradiyya da wani neman kwanci hankali a ƙasar tamu. To su wa'annan matasan na yanzu, quel intérêt porte-t-il à la promotion de la démocratie ou encore à la consolidation de la paix dans notre pays on en parle ce soir à la place Toumo, ici au quartier Nouveau Marché de Niamey, avec Salamot Oumarou de la JDP, l'association des jeunes diplomates et politologues. Nous sommes également avec Razak de l'USN tous les nids, nous vaincrons. Ça va, camarade Ouais, ça va bien. Et à Oh, ça va bien, hein? merci. Alhamdulillah. Sois le également. Nous sommes avec Abdou Gado de l'Observatoire nigérien des jeunes pour la paix. Ça va, Abdou euh, Bonjour, Rabia. Moi aussi, un autre frère de la FARA. Il est aussi de l'Association des jeunes diplomates et politologues. La JDP, ça va, moi aussi Barka, Rabi. Yayane Alhamdulillah, ça va. Et comme vous le savez, pendant ces 35 minutes de pur débat avec les jeunes, nous aurons de la musique, la rubrique de Don Dike Famna. Quoi, on a sati et eh. La chronique d'Olivier. Coucou mais ça va Ouais, salut Ravi, comment tu vas Ouais, ça va La lutte continue. Ah, tu es là, tu es engagé <laughs> Comme toujours. Et ce soir, je suis engagé contre euh, les violences basées sur le genre. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit souffrir. Et ce soir, la différence entre l'artiste et l'homme, eh bien, ça sera le cas de Sidiki Diabaté. Eh bien, on va en ah débattre. Ah ouais, euh, il faut qu'on en parle, hein ah bah, oui, c'est mmh, important. Mmh. Je te vois mmh. venir. Belle <laughs> okay, À tout à Merci Olivier, à toutes. Dans un article de janvier 2019, le magazine en ligne tamtaminfo.com est revenu sur les mouvements des jeunes qui ont été toujours à l'avant-garde de la lutte pour le triomphe de la démocratie. Kuma da duka wani yakin da kungiyoyi suke yi don kyautata rayuwar al'umma. Yanzu directement zan zuwa in fara tambaya ta ina so insani sani wa'in aka ce demokradiya que tu es nigérienne, tu es jeune. Euh, c'est quoi pour toi la démocratie Dis-moi. La démocratie, pour moi, c'est le fait de pouvoir choisir, c'est le fait de pouvoir euh, être libre de, son, de ses idéologies et aussi de pouvoir collaborer malgré les divergences. Ok. Euh, je viens vers toi, Drazak. Elle parle de choix, elle parle de collaboration, elle ça te dit quoi Moi, l'idée première qui me vient quand on parle de démocratie, c'est plutôt le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et que tout ce dont le peuple n'est pas d'accord avec ça ne pourra pas marcher. D'accord. Moi aussi, Gareka. Acte de démocratie, hmm. ben, anti bon et eh, ah. bon, bah, bon, diversité au fait. Mm. Ana tu vois comment Wanga il est, eh, il est chrétien, Wanga il est musulman, Wanga. Wana bahaushe ne, wana bagrabare ne, duka. Ana tu vois Wanga eh, ga abin kabilar shi. Mm. Wanga ga abin da yake amma duka a taru a zaman guda a zamna tare shine demokradiya kai gare ka shine demokrasi yanzu mu shiga tambayar mu ta biyu wannan satin ko ina zan can kwanciyar hankali ake yi avec tout ce que traverse le Sahel comme tension a ganin ku yaya ne demokrasi take iya kawo mana kwanciyar hankali Abdu in zo gare ka la paix suppose euh, l'absence de toute violence et dans une circonscription donnée et pour un temps donné aussi donc euh, quand on prend euh, les conflits de façon générale et les conflits qui découlent souvent des élections, c'est des contradictions, c'est des diversifications. Et euh, en fait, euh, vraiment, c'est des points de vue divergents qui sont exprimés et qui sont difficilement acceptés par les uns et les autres. Donc, à cela, euh, la démocratie, en fait, a des piliers fondamentaux, tels que, par exemple, la justice sociale, telles que eh, la quiétude sociale, telles que eh, les institutions eh, qui peuvent être fondamentalement les piliers de, cette démocratie. Tant que tout cela n'existe pas, euh, la paix ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, les élections, la démocratie, je pense que c'est des mots qui sont ensemble. Et généralement, la bonne gouvernance. naji kai mi zaka ce mini ana zancen fen ana zancen demokrasi a takaice eh, shi demokratiya ya zo daidai ne da concept da ake cewa la paix shi ma da paix in aka bi tarihi tun lokacin da aka kafa demokratiya eh, suna da demokrasi na da but na menene maintenir la paix maintenir mm. la paix entre qui et qui maintenir la paix tsakanin su kasashen demokratiya Hmm. saboda wannan abu ne yau aka ga demokratiya kasashen da suka yi adoptin wannan system sun yi yawa cikin duniya saboda manufan demokratiya kawai abu guda ce lape yawa ka kare shikenan sai ban kawai to yanzu muna da wani matambayin isa mamman daga tesawa yake tambaya ko yaya ne kuke ganin demokrasi inda muke cikin ta a kasar tamu ta yanzu de la conférence nationale en nos jours comment elle a évolué cette démocratie Mais Salamatou, je reviens vers toi. Comment tu vois son euh. évolution Même si conférence nationale, je sais que tu étais bébé. Moi-même, <laughs> j'étais vraiment bébé. <laughs> Mais quand même. Quand même, euh, on a entendu l'histoire. Bon, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas évolué. Il y a eu beaucoup de changements depuis lors. Mais je, vais, je veux dire, il reste encore des choses à faire. Il reste encore des choses à faire. Elle n'est toujours pas la démocratie optimale dont le pays a besoin. Mais quand même, ça va. On a eu le multipartisme, on a eu plein de choses qui se sont, qui ont évolué quand même. Ok, Moi Moussi. Alex, ça va, ça va. Bon, Agananka. Évolution inquiète. Conférence nationale. Mm. Zuwa yau. Ana cewa an dan samu ci gaba cikin demokradiyya a cikin kasar tamu. Amma kamar abin da wata ta salamu ta gai. Hmm. Akwai abu da yawan ta kamata a diba, akwai abu da yawan ta kamata a yi, kuma akwai abu da yawan za a yi. wanda take mata a yi magana sannan za a magana ma sama kan demokradiyya hmm. yau an ka diba eh, conference national ta kawo abubuwa da yawa kamar eh, abin da ake ce ma multipartism wani principe ne na demokrasi ta kawo liberté d'association ta kawo liberté d'expression liberté de manifestation tu kamar ta kawo abubuwa da yawa wanda muna iya alfahari da su yau kuma mun muna ci gaba da amfani da su yau amma in aka diba kuma concretement waga demokradiyyar kamar da wadda muke cikin cikin kasar ta yanzu kamar ba demokradiya ba ce wadda leader principal kamar ta demokrasi wadda kamar ake nihi kan gani mm. kamar demokradiya ce ta suna wadda vraiment eh, ana samu cikin illusion dai muna cikin eh, maholiki abin da zan iya cewa ne saman kan eh, evolution inta da kuma insuffisance inta kamar cikin kasa mine ne kawo insuffisance ke nan rashin sanin ta ma ne gaba ɗaya ga kamar ga 'yan kasa wajen 'yan kasa ba su santa da kyau ba kenan nan aiki ne ta kamata a tashi a yi a waye mai 'yan kasa kai su san minin demokradiyya su kare ta mosi mosi na so a ce auditor kin wannan suna iya ganin ka eh to a <laughs> eh, ah, sun gani ba suna ganin diplomat da verkin shi il est habillé en bleu, je vous le décris. Parce qu'on peut en engager. Je vous sentais qu'il a bien appris ses cours. Bientôt, c'est la ah, Ganina. Ah. Bientôt, c'est la Ganina. Peut-être la semaine prochaine même. Mm. za mu shiga cikin wasu ƙauyuka in za mu magana saman kan demokradiyya ba vala na mm. saman kan association mu AGDP na za mu magana da ta yan ƙauye cikin yaren da suke ji muna da eh, mawa cikin mu muna da hausawa cikin mu muna da peul eh, muna da buzaye muna da kowa an tuka kenan dai <laughs> wannan abin ya sa kenan mu yi da yan eh, karkara wanda deja su su ma ne suke da matsala saman kan demokradiyya yau yanzu sur les mots de notre diplomate et politologue Mossi on va faire une petite pause dans notre discussion pour aller voir bangaren shi kuma l'a da rubrikin tashi da wani artist ne hira wannan mu Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. mutu ne shata, waka babu kamata, na tsere maza bale mata, kuma kowa na kaunata, ci gaba ni shi nike fata, tsari daga sharrin mata, da tata, da sata, hannun kayin kaskanta, babu ni babu yin ragaita, roko na Allah munta, ka bi Allah dan ka shi ke kula da kai ka kamanta, riga na saka, sunan tawaka, ana ta zagi na saboda ita, babba araka, koko ɗaukaka, Tous les gentlemen. Nous sommes sur la rubrique Covid-19, l'artiste s'exprime. Cette rubrique qui lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il n'est plus à présenter les dizaines de gentlemen Hamdi Malam, ça certainement beaucoup de choses. Un des pionniers de ce mouvement hip-hop, made du Niger. Eh, Ouban Sunekawa. daya ni ne uban su duka duk da ke ban musu cin fusuka in sun gani sai su yi ta firgita amma riga su suka ga wuta eh din na zame musu inuwa rikashi na suke hutawa dole na su mini girmamawa dan na kasance mai taimakawa kai DJ tsaida mini duka in ba su fuluza a kafe cikin gwanne ni ne lamba guda inko kana da ja to ka yo magana eh ni ne uban su duka eh ni ne uban su duka eh ni ne uban su duka alhaji ni ne uban su duka ni ne uban su duka ni ne uban su duka ni ne uban su duka dondi ni ne uban su duka Amdi wanga Hamdi Malam la machine te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime Covid-19 alors Hamdi ça va tu vas bien Oui, je vais très bien merci alors moi ce que je veux de toi je veux un message à l'endroit de cette gérase, mais un message à Aoussa à euh, pour le parce que je sais que tu valorises une d'une autre euh, bien évidemment euh, nos langues à travers ta musique alors Aoussa Sansani Kesso qui va donc euh, toucher la jeunesse qui kiffe cette émission un peu partout au Niger. Mu saurari domin da wannan cuta har yau a samu mace, yaro, babu wanda ta bari. mu hattara da wannan cuta wadda ba san ba asalinta. du Covid-19. Alors on va finir cette rubrique bien évidemment avec un peu de folie. Qu'est-ce que tu vas me poser sur ce beat au fait Je voudrais au fait euh, te sentir, je voudrais faire plaisir à tous qui nous kiffent alors je parle. Fais-moi un truc s'il te plaît, Amdi Malam. Fais-moi un truc, yeah. impressionne-moi sur le beat. yeah. Ni kuma wala ta. Face bande da kyawo. A face to face bande da kyawo. A face to face ban da kyawo. A face to face ban da kyawo. Agbagdo. Ina yi suna jin daɗi. Ina sa su nishadi a hadi. In <laughs> babu shadda zan sa yadi ba ruwan shi ai shi malam hamdi. Ban haran kunuwan kuma na wace rayawa ubangiji ne na wace badawa ubangiji ne mana yan uba. Huta batun su mana kai. Fasa karkarwa. A tashi da kanka yi kokowa. Kokarin ka zai sa ka cikin inuwa. shi yes yanwari C'était donc Amdi Malam, ladies and gentlemen, à l'instant t'es sur la rubrique Covid-19. L'artiste s'exprime, on se prendra très très prochainement. Euh, donc euh, sur l'émission Tous à la Fada, nous vous demandons de rester en compagnie du programme du studio Kalangu. Les jeunes ont débarqué, vous le savez, depuis un certain temps. Ça fait le ça fait sur ce, la machine Hamdi prend congé Respectons les gestes barrières. On connaît agi. Hey. Aujourd'hui, avec les jeunes de la FADA, on parle de promotion de la démocratie et consolidation de la paix. Yo, wannan fadar muna tare Salamat Umaru, Miss AGDP, de l'USN, Gado de l'Observatoire euh, nigérien des jeunes pour la paix, Issa aussi de l'Association des jeunes diplomates et politologues, et Mohamed Lawan de la même structure. Qu'il s'agisse des mouvements syndicaux ou politiques, les jeunes ont toujours joué leur partition mai wannan demokrasi kin ya ne kuke jin kanku a ta. Tu es de l'USN. L'USN, c'est des mouvements, c'est des marches, c'est des revendications. Comment vous vous retrouvez dans. Et merci beaucoup. Au début des années 90, les mouvements de l'USN ont eu à amener la démocratie dans ces pays dont beaucoup sont en train de jouir de ses bienfaits, notamment la liberté d'expression, la liberté de circulation, le, mhm. multipartisme et un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous, en tant que jeunes de l'USN, nous avons l'habitude de les dire et nous les nous ne pouvons être que des avant-gardistes de cette démocratie. Nous mhm. allons être aux aguets pour voir et ne pas permettre à ce que un politicien, qui que ce soit, puisse essayer de blaguer et de jouer avec cette démocratie que nous avons d'ailleurs chèrement acquis en perdant trois de nos camarades lors des événements tragiques de ce 9 février. Mais en tant que jeunes aussi, nous avons notre vision de cette démocratie où nous estimons que nous ne pouvons pas dire que la démocratie n'a pas tellement évolué, mais toute chose qui évolue avec des interruptions, parce qu'il faudrait le dire, la démocratie nigérienne a connu au minimum trois interruptions de sa naissance à aujourd'hui, cela est un sérieux problème, un problème qu'il faut y remédier. Et comment y remédier Nous ne pouvons y remédier que tant que le peuple n'est pas conscient que la démocratie, c'est le peuple, c'est le peuple qui a le pouvoir. Aujourd'hui, la jeunesse nigérienne est la, la grande base de cette population. C'est vrai, la jeunesse scolarisée n'est pas aussi énorme que ça, du fait du faible taux de scolarisation. Mais ceux qui ont eu la chance et l'opportunité d'être scolarisés doivent être des porteurs des messages de cette démocratie. Parce que ces derniers temps, nous sommes en train de constater quelque chose qui est personnellement, ça nous écœure. Ça nous écœure du moment où, que ce soit la partie gouvernementale ou l'opposition, tout un chacun cherche à nous, nous utiliser en tant que jeunes, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les débats, pour que nous, puissions venir envenimer ces pays, nous entretenir entre nous et que à la fin, ce soit eux qui profitent de ça. La jeunesse doit se conscientiser. Tant. to dai matasa su kama su da wannan demokradiyyar da ket aka same ta kuma da aka same ta ai abin da za a yi ta kubce muna yanzu dai kaji ta demokrasi konna ya ne matasa suke iya yi don su rike ta matasa suke yi su rike ta eh, la démocratie au Niger le problème c'est que nous avions actuellement raté les bases aujourd'hui euh, tous, nous le savons de coutume au Niger, toutes les élections, parce qu'il faut comprendre, quand on parle de démocratie, représentative. Les élections constituent la principale caractéristique de, euh, de, de, cette démocratie. Et aujourd'hui, les élections-là, nous les faisons comment Nous les faisons comment Nous sommes combien C'est ce que nous nous demandons. ma première question. Parce que la question, il y a par exemple aujourd'hui des lois consensuelles qui doivent être euh, élaboré et adopté euh, pour ces élections, pour que ces élections-là se passent pacifiquement. Mais comment ces gens-là légifèrent par rapport à la tenue de ces élections Donc, il faut voir, euh, dans tous ces débats, dans tous ces débats. Normalement, aujourd'hui, on devrait avoir un débat inclusif qui doit prendre en, en, fait les préoccupations de la jeunesse en compte. Mais malheureusement, il n'y a pas eu ce débat. Nous allons aux élections. Euh, aujourd'hui, tout ce qu'il y a eu comme corruption, comme euh, loi liberticide, comme, euh, comment on appelle ça, gabégie dans la gestion des affaires de l'État, malheureusement, les gens n'ont pas encore pris conscience. Moi, je dirais que ça va venir parce que c'est un processus. Nous sommes dans le processus. Nous allons arriver à cela. Le jour où c'est les jeunes qui vont prendre qui prendront conscience, ils vont prendre les choses en main et ils feront en sorte que qu'il y ait une véritable démocratie au Niger et en Afrique en général. Ça ne kun ji dai korar da matasa suka kama jikinsu suka zo inda za su ɗaukan decision kin in sha abu ya ce komi zai sauya yanzu dai ku kun ji matasa in kun ya jiki ya tsira kenan mu kama jikinmu yanzu kan mu ci gaba da wannan hira ko mato za mu dan shakatawa kaɗan ko ya kaci on va se détendre un peu sur la fada parce que Kunsani Babu Fada Babu Shakatawa, et même sur les grands débats, les plus grands débats de la fada, il y a toujours de la musique. On va écouter Rampapa de Soprano et Tikenga Fakoli. On parle de démocratie, on parle de paix sur la fada. La politique s'est transformée en armement. Elle peut aussi se finir en bombardement. quer partir dans ce she's got et eh, c'est pas pour rien qu'on est venu ici magana il y a eu tellement de mouvements tellement de jeunes ont foulé ce sol pour tellement de contestations de manifestations c'est pourquoi aujourd'hui on a posé cette fada à ce lieu symbolique de lutte pour la démocratie de, de tout ce qui touche à Kyotata, al duka lutte da yawa point

Abdou l'Observatoire nigérien des jeunes pour la paix, Issa Kamosi de la JDP, Zambo mu gaba da hira tamu amma ko kuma ce Eba da kuke iya ba mu ra'ayinku a bisa kan Tamana shirye-shiryen da hudu To tambaya tare ta karshe duka yakin da aka yi na girka demokradiya a wannan kasar da neman kwanci hankali da matasa aka yi su. A kuke ganin rolikin matasa a chaque fois qu'il y a des manifestations nous sommes là. Salamatu. On a besoin de faire plus c'est clair. Déjà, euh, les jeunes sont toujours présents parce que quelque part, c'est une couche de la population assez importante, non négligeable. On est obligé d'être là. Mais après, on euh, ils sont pas, on va pas au bout des choses, malheureusement. Mhm. Parce que euh, peut-être on ne comprend pas peut-être l'importance de ce qu'on a, de notre rôle, qu'on peut jouer plus. Qu'on peut faire plus que ça, oui. Voilà. Donc il faut appeler les jeunes à, à faire plus à s'intéresser encore plus dans la consolidation de la paix, dans la démocratie, parce que demain, ce sera pour nous le pays. Les autres seront plus là peut-être. Et c'est à nous de, de construire notre avenir, je veux dire. Tant, l'a dit, c'est à nous de construire notre avenir, aussi, Indao Gareka. Comment on a dire que gai duk da manifestation da mu za a yi kai mu ne ma muke cika wurin to wannan role kin da a da ya ne kake ganin shi duka wani yaƙi da ake tare da mu ake yaƙi da ake yi saboda a nemo incin kai a nemo komi da komi da komi eh a cikin yaƙin nan ana ganin kaman matasa su ne ke gaba su ke tahiya su yi yaƙi su ake mobilize su ake kira su ta su yaƙin nan don su samu wani inci don su samu eh, wani goyon baya ko wani abu duk abin da ake nema matasa ake nema su su yi wannan yaƙin eh, yau an ka diba kuma abin da ke ke tushen mu mm. eh, abin da ke matsala ana iya gai ma haka nan mm, matasa ba matsalar su bace suke tasi yaƙi saman kanta matsalar wani ne suke tasi yaƙi saman kanta eh eh mine ne nake cewa me yasa nace matsalar wasu ne suke ta in kun ba duka wani tashi hankali ba daga wurin matasa suke tasowa ba matasa ba su da wani lokaci ta neman tashi hankali ko na abu in kun diba matasan Niger mun gode mu Allah abu nan ne zamu iya cewa muna godiya saboda matasan Niger duk duniya babu matasa wanda ke da san ƙasa wanda ke da kuma son kwanci hankali cikin kasar shi kamar sai Nijar amma yau sai wani ya je ya nemo wani tashi hankali kuma yau zai mobilizan mu mu matasa mu taimu mishi saboda mene matasa yau wanda ɗan kindi ba wanda bai san wanda bai da abin yi tunda har wannan abun har da rashin aikin yi wanda bai da abin yi kuma wanda bai san inci shi ba shi ne yau ya yana kamar yana da saukin samu yana saukin samu saboda haka ne yau kenan duk in kun diba duk abun da ke wakana matasa ake sanya gaba saboda sun su ne ake sauran samu yau ku da ku ne matsayi mana su su abin ga su su basi kenan mu ne muke yi ko mu ake kama ta aliki in ma likiya ne ko mu ake kama kuma lokacin da muka to mu ce mosi yanzu ka kara buskon nan kama bata kai a ganin ka ya matasa suke iya yi nan contribute plus faire plus que des manifestations

mine ne ke kawo wanda dabor abin nan eh, mi yake kawo manifestation abu ne in bai daɗi ba a hito ne ake gayin ake gwajin bakin ciki ko mm. amma in ba a shiga cikin implication ba cikin gestion in ƙasa a san yadda ƙasa take gunadar da abin da, mulkinta tun nan ya kamata a ce matasa suna implicate kansu cikin siyasa cikin eh, tafiyan da administration take a ko abin duk abin da ya shafi kasa a ce matasa suna da ido suna da kunne game da wannan abu ba shi harka ta ɓaci ba a ce matasa ku hito ko kuma mu ce mu hito wannan lallai hitowa demokratiya ne ta bamu wannan inci hitowa droit ne kuma liberté fondamental na, na demokratiya ne a hito a gwaji bakin ciki amma kuma demokratiya tana kiran matasa cewa wannan mulki ku ne demokratiya ba ta barin kowa ba ta sa ku ba ta sa mutane mm-hmm. eh, tana implikin kowa cikin gestion kasa mm. kuma kowa na dole ne kowa shi ya interesin kan shi a yadda kasan yake tafiya saboda mutane su ne ke tafiyar da wannan mulki. sai bon na gode muhammad lawan maka in yi ban kwana da ku za ni kira olivier shi kuma da kronikin tashi oli isa ba ya kake Ça va, Dieu merci. Ah, j'ai rien compris. On va parler de l'artiste euh, malien Sidi Diabaté. Ok. Donc j'espère que chacun d'entre nous est déjà au courant de l'affaire. Tout le monde est au courant. bien, on va mettre un peu de micro dans l'affaire là. <laughs> D'accord. <laughs> Bonsoir à tous. Sidiki Diabaté, l'artiste malien dans de sales draps sur les réseaux sociaux. Entre l'homme et l'artiste, la différence, elle est claire. Quand l'homme bat, sa accompagne, tandis que l'artiste, quant à lui, chante l'amour. Eh bien, toute cette semaine sur les réseaux sociaux, c'est l'affaire Siliki Diabaté qui a retenu en haleine les internautes. Oh, combien de mégas gaspillés pour le partage des vidéos et images people. Que s'est-il réellement passé Je ne saurais vous le dire concrètement si ce n'est grâce à la collecte de certaines informations pour vous sur des sites d'information. Par exemple, sur le site People deux magazines, on pourrait lire un article titré Sidiki Diabaté accusé de viol conjugal par les internautes. Un article qui a exposé des, images de Dame Mariam Sow et compagne de Sidiki Diabaté sur lesquelles l'on peut percevoir des traces de blessures sur son corps. Ces images ont déjà inondé le web et j'espère que chacun d'entre vous, ou bien la plupart d'entre vous, ont eu la chance de tomber là-dessus. Et oui, à chaque cause, une conséquence. Très rapidement, les associations de féministes sont montées au créneau et les sanctions aussi ont commencé à pleuvoir. D'abord, une détention en garde à vue suite à une plainte de la campagne. Ensuite, une exclusion à la prestigieuse nomination frima Africa Music Award un événement qui récompense les artistes africains. S'en suivra une autre exclusion, cette fois-ci à la participation au prix Mood 2020, le prix international de la musique urbaine et du coupé calais qui devrait se tenir en fin 2020, sans compter les nombreux appels à boycotter des internautes. Les sanctions la liste, elle est longue. La femme, elle est sacrée. Comme tout être humain, elle mérite respect et considération. Mais apparemment, ce message n'est pas encore accepté par certains. Et le patron de Diabatéba Musique fait partie sans nul doute de cette catégorie de personnes. Violence basée sur le genre, dénonciation d'actes de fraude, déclaration mensongère. Ces derniers mois en Afrique, on pourrait dire que la justice virtuelle, même si elle n'est pas reconnue par un test de loi, elle fait bien son travail. Ah ouais, ça ça s'arrête pas, hein. Ah ouais. Attends, merci Oli. la fin de tout ça, la de, du samedi tout ça, la de français Hausa. Gobe za haɗu da abokin aiki na don di Shi kuma tare da shi za a yi hiran wai abin da matasa suke iya yi, kin da suke iya juwe cikin wannan neman demokradiyyar da ake nema ta girku da kyau, mu same ta da kyau, mu ji ta ko ina. Kuma da neman kwanci hankali cikin kasar tamu. za ku ci gaba da hira tare da shi amma kamar an da wa'annan matasan suka ce ita dai wannan demokradiyya da muka same ta kuma da muka same ta ya kamata a ce kowa ya sa hannun shi dan saboda a ce tana nan zamne ta girku kuma ana shinta ko ina kuma kowa yana iya cin umhaninta to yanzu dai fara mu ta zo karshe kuma ka kumance lambar kuke iya ba mu ra'ayinku a bisa kanta 80 da 54 sai mu ce a huta lahiya sai kuma wani samedi